Oui, nos, nos parents menuisiers m'ont interpellé. Je disais que nos parents menuisiers et de manière générale tous les artisans du Sénégal et de la Casamance nous connaissons votre souffrance xam nañ seen coono Nous nañ liñ leen teg dama leen jox rendez-vous ngoon pour ñu bu mais ñun xam ni li parce que nous quand on était enfant vous traversé bac bi dugg Casamance war le Fogny pour nous carrément vers Doran Gissak n'a dit parce que la forêt était tellement touffue que les arbres se rencontraient en haut. Mais le système de bradage la mafia du bois, nous savons que ce n'est pas vous les artisans. Xam complicité administrative ak hommes d'affaires Nous ñoo les forêts 16, mais c'est pas vous. Et je vous recevrai le soir pour qu'on en parle parce qu'on va vous restaurer dans votre droit pour que vous puissiez travailler et pour que, pour que vous puissiez travailler et gagner dignement votre vie parce que vous êtes des gens braves. Je dis que la dernière mesure, c'est la création d'un pôle urbain parce que les gars, ah man de Ziguinchor ni mu melon bi may nekk di fi à pied chaque jour dox dem CMT Amical Cabral jàngi wàcc midi ñew añ assuré ndema repartir l'après-midi ñibbi si ñëwaat bi ma rombaatee il n'y a rien qui a changé depuis plus de 20 ans. Nous voulons, nous voulons faire des Il faut que, xam ngeen li ngeen di dégg ñu naan pôle urbain. Nous nous voulons dans les six pôles régionaux. Le Sénégal dañ koy découper en six pôles régionaux Il y a un pôle de développement économique et social en même temps pôle bu nous avons un centre un pôle urbain ba nga xam d'autre n'est dootul Dakar moo mel nii yeneen région yi mel région boo dem di un pôle urbain qui a sinon un standing plus important que celui de Dakar mais au moins un standing de même rang que Dakar fii nag Ziguinchor bëgg nañ fi def un pôle urbain et une zone économique spéciale dans l'axe Tobor Tëbi kon lii suñu yéene la fii ci Ziguinchor dama bëgg nit ñi xam c'est pas c'est pas parce que nous sommes des Ziguinchor ni ñu ko amee yéene fii développé ko région yi demagum yëpp on a fait les mêmes développements et on continuera à le faire parce que nous avons une vision et un programme pour le Sénégal. Mais cette vision, cette vision et ce programme pour le Sénégal, c'est à vous de nous donner les moyens de l'appliquer. J'ai vu que la bataille de Ziguinchor n'aura pas lieu. Qui Ziguinchor Et de manière générale, Casamance. Qui nous fait amener. Ziguinchor a choisi. Qu'est-ce que Ziguinchor a choisi Qu'est-ce que la Casamance a choisi Comme Comme Wadi ji ñëwoon di doxantu fii non non démb dama jaar jaar. léegi dëkkam fanaan fa. ñoom ñu ne woon man duma dugg ci dëkk ba. may leen dëkk boo xam ne fii Sénégal Macky Sall mun na tere Ousmane Sonko dugg fa amul. que je ne serai pas gardé par l'armée ni la gendarmerie. bu ma ñëwee waa dëkk bi dañ ne fanaan la fi am guddee fanaan ma laaj expression boobu mooy lan ñu ne daal en réalité dëkk ko waaye dafa mën may. la La démonstration physique, la démonstration de force physique d'aujourd'hui ne suffit pas. Je veux savoir, est-ce que vous avez tous votre carte d'électeur Je vous demanderai solennellement. le Kenyan, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore leur carte d'électeur, nañ ko dem dire que commission yi parce que parce que moi c'est ce que je veux écoutez-moi bien Écoutez-moi bien. Vous savez ce que je veux Moi, je ne vais pas réclamer de titre foncier de nulle part. Parce que mon Koumoum, titre foncier nous sommes tous sénégalais. Je n'aurai jamais de discours régionaliste, ou ethniciste, ou religieux. Parce que nous nous sommes tous frères et sœurs. Mais ce que je vois ici en Casamance, au soir du 24, je vois 85% du score en Casamance. Et cela Non, non, non, non. Non, non, non. Comme

Inch'Allah, on va réaliser des sports exceptionnels. Mais je veux que la Casamance se classe largement première et je sais que vous allez me donner ça. Mais pour nous, il faut aller voter, particulièrement les jeunes. Les jeunes de 18 ans à 45 ans vous voter massivement partout dans le Sénégal vous sortez voter massivement partout dans le Sénégal le 24 février à minuit on va se débarrasser de Macky Sall mais on va se débarrasser du système qu'on veut signer avec vous. Faites-nous confiance ensemble. Ensemble, tous ensemble. Je peux vous donner la garantie. Tout le Sénégal sait que nous ne sommes pas, nous, entrés en politique pour des avantages personnels. Nous ne sommes pas entrés en politique pour nous enrichir. Nous ne sommes pas entrés en politique pour nous faire honneur Nous sommes entrés... Nous sommes... Nous sommes entrés en politique parce que nous vous aimons, parce que nous aimons le peuple sénégalais, parce que nous voulons un meilleur le peuple sénégalais. le Nous avons dit Merci. Merci Gaï. Nous avons dit, je vais terminer par vous dire que nous avons dit que c'est slogan. À la table, nous avons dit dans notre slogan que Jotna, ko ah Matam Sita dafa jot fii Sénégal li ñëpp bokk muy notre richesse nationale dafa jot li ñëpp bokk ñëpp jot si loolu la ngeen yéene merci beaucoup pour l'accueil nous sommes ensemble nous allons gagner merci.